rahmatullahi taala wa mu leen dee nuyu bu baax kilifa yi ah là les gens sont occupés c'est l'heure de la décharge pour moi damay nuyoo rek dama nuyoo rek Il y a beaucoup à dire, hein? beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, beaucoup. Il y a beaucoup à dire, beaucoup.

geliyor, geliyor, geliyor. bu leen di ba baax waaye ba baax kilifa yi. ah ma wàcc kàcc kàcc njaay nga ne ma wàcc wàcc jot na kay ah jot na kay wallaay jot mais mais mais dañu dañu bëgg ngeen jàpp ci Sénégal ñoo far point com On veut vraiment le mettre en place, Inch'Allah. C'est un site internet. Ça, c'est la radio du site. Hein? la musique que vous entendez c'est la radio SNF radio bi nekk ci site internet demain ou en début de semaine, Inch'Allah. D'ici à demain ou début de semaine, Inch'Allah, vous aurez l'application. cliquer et écouter la radio. Et voilà, on pourra. Il y a un chronogramme de programme qu'on a prévu pour Wartan Siloubare. SNF, c'est c'est Donc, nous avons nous avons fait nous avons fait Nous avons fait faw nu waxtaan suñu biir ñu ni neen la faw nu waxtaan déggoo am fu nu teg am nu tegoo faw nu waxtaan suñu biir mooy ñi jiite ñi fi nekk ñi jiite ñëpp faw ñu am fu nu taxaw ñu wax bu nu ko defal lu ñuy def raak xeex comme soudan ñi daw daw ñu mën a daw daw ñi dee dee ñi des des na ma yàlla donc yàlla ñu ci yàlla muccal ñu dem ci sens bu baax bi te loolu nag àndandoo waxtaan moo kaa ma ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax mu ngi leen di ziar bu baax li wóor ba wóor moom moo di ne Sénégal peuple bee ko moom te li peuple bi bëgg moo la am ka mu neex ka mu neexul président Macky Sall mu neex ko mu naqari ka li peuple bëgg lay def mu neex ko mu naqari ka mun na def nag ba benn moment mu demal boppam et cetera mais li nit ñi bëgg lay def et dafa am nag fu aw. il faut beaucoup de stratégie il faut beaucoup de stratégie beaucoup de stratégie beaucoup de stratégie il faut beaucoup de stratégie beaucoup de génie beaucoup d'intelligence beaucoup de perspicacité beaucoup de ténacité beaucoup beaucoup beaucoup de bonnes choses et de bon sens d'intelligence et de sens pratique et de pragmatisme donc pour mën a euh, mën si génn quoi incha allah. ma rek une seconde bàllal ma de maa ngi si jégalu maa ngi si jégalu bàllal ma rek une seconde. alors je je disais euh, on est on est vendredi 6 euh, mai le 6 mai le 6 mai vendredi 6 mai euh, Il fi nekk ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax je j'aurais super aimé Yahya Mohamed, ah hein, Mane, Mané Moussa Ka Modou Euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp caatu Pastef Sow Amina euh, Aliou Diouf maa ngi nuyoo daal maa ngi nuyoo vraiment Aliou Ba Oumar Waly Modou Diop Nam euh, Astou Ramata Ndiaye Seynabou Bari Sangare Abdou Kane def naa Baye Abdou Kane Mohamed Thiam Oumar Ba eh, Malik Sissi maa ngi nuyu daal kilifa yi fi nekk yëpp ah maa leen di nuyu nuyu Tamba Pap Ali Diaw Kacc eh, hmm, Kacc Ndiaye Ramatoulaye Sy Kumba maa ngi leen nuyu ñëpp quoi <coughs> alors Cheikh euh, Cheikh euh, Cheikh Aw Cheikh Aw si Hassan Badji va bekerja menuju sare mankaburasin uh, eh, ndongo mane yahya jan uh, eh, pa san delu si j'ai pas compris hassan abadi la hew fuma delu euh Aliou Amina Thiatou maa là, nuyu euh, le grand journaliste amin Allahou, amin amin amin yaa rabbi on veut vraiment être crédible amin amin amin amin waay amin amin euh. alors je disais que li tax ma ma def live j'allais le faire sur la chaîne YouTube SNF1 mais SNF1 yéen ñi ñu si bëri abonné bu leen amna ñu abonné mais abonné gu len donc faw ngeen japp ci euh, japp len ci rek hmm? ñu ngi fajar mais le soir mënaguma régulier parce que voilà j'ai pas encore le nombre d'abonnés conséquent après on me dira il faut faire des vidéos pour que abonnés ñeu mais déjà il faut aussi abonner japp quoi donc abonnez-vous s'il vous plaît s'il vous plaît hein SNF1 euh, Donc, vous vous abonnez et au fur et à mesure, on va, on va travailler. On a de grands invités le soir, Inch'Allah, mais pour que nous agressions, hein, si on compte sur vous. dañu toll si àdduna il y y le mot ñu internet pour que nous indépendants nous indépendants parce qu'aujourd'hui seule l'indépendance permet de servir la bonne info Bon, indépendant tu tu peux pas servir la bonne info et pour être indépendant euh, il faut que la communauté avec toi la communauté avec toi la communauté c'est qui c'est vous c'est nous c'est tout le monde donc faut nous nous SNF Sénégal ñoo far nous ñu ànd quoi. ah vous venez de vous abonner Mamadou Sakhé yàlla na yàlla fay na na ñëpp abonné waay SNF 1 on veut on veut on veut, veut pas un million d'abonnés, on veut des millions d'abonnés. Parce que je vais, m'expliquer. Il y a des chaînes YouTube qui ils ont des millions d'abonnés, film d'âme. Téléfilm, etc. Ils font un excellent travail. Il y a d'autres qui ont ils font sport, etc. Te ku ci nekk mu ngi def li mu war def mu ngi def contribuer développement mais nous nous servons l'information. il faut ngeen jàppale ñu abonné ci SNF1 ñeneen ñi ñu ngi 2 atv à 2 atv par exemple on veut atteindre le million d'abonnés. C'est important il nous le faut. Sur SNF aussi, on veut atteindre et dépasser le million d'abonnés. Donc, il faut que nous appelions, te l'humain sourd dit l'en cagnal. Dit, partager chaîne bi. SNFE, partager 2A, partager, partager les chaînes d'infos. Il y a actuellement Je ne dirais pas sur un combat, mais sur une contribution par rapport à comment on doit faire pour construire le Sénégal. Parce que ce pays-là, c'est-à-dire que le Sénégal, de que vous tabac j'ai vu, j'ai vu tout à l'heure qui informations j'ai vu je euh, je sais pas où j'ai vu ça euh, euh, je crois l'avoir vu je ne sais pas voilà je, vais vous le, je vais vous le montrer je vais vous le montrer si la musique vous gêne vous me dites hein, c'est juste pour promouvoir la radio de SNF il fait une belle programmation à Samagaï. Bon, je diminue un peu. Le lien de SNF. Ok, je, vais mettre ça. Euh, d'accord, je, vais mettre ça. Mais c'est ça que je vais vous montrer. Regardez ici, ça c'est le site d'Africa News. Les gars, regardez bien. Lisez l'info. Niger, deux points. L'exploitation de l'uranium de Somaïr. C'est une contrée prolongée jusqu'en 2014. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Alors, l'entreprise s'appelle... L'entreprise s'appelle Orano. Orano, c'est l'ex-Areva n'ont pas exploité uranium Niger Niger ils n'ont même pas un taux d'électrification de 14 ils sont à moins de cela Madame Niger dëkk ba amul courant alors que nous, avons jox courant France a gagné de yi vous imaginez est-ce que vous imaginez ce qui se passe dans le monde là Orano Arrive à c'est une société française Madame Niger nous avons signé 40, jusqu'en 2040, pour exploiter uranium donc ñii Niger moom deewati Les léegi bis bu amee leaders, leader bu jóg taxaw du plan pour la ko avec des complices africains voilà le mal voilà le mal voilà le mal de ce continent là te lii moo dal Sénégal moo dal l'Irlande, etc., etc. qui est cetera lii nag li kaa xeex li li la bonne information et la bonne information il faut que la population y soutenir Nilen leen Je jox je sais pas si je me fais comprendre c'est-à-dire il faut que nous soutenir Nilen la bonne info parce que la bonne info pour nga dire il faut nga indépendant c'est quoi l'indépendance la première indépendance elle est économique si économiquement tu ne peux pas sortir de chez toi te déplacer

Et YouTube, c'est qui, c'est quoi C'est vous. Vous vous abonnez, abonnement YouTube ci lay considéré comme une rémunération et là on fait un travail sérieux conséquemment par rapport à ce que nous faisons comme activité info la plus grande gratitude la plus grande sincérité et la plus grande indépendance, quoi. Donc, lolo man, je, ne me gêne pas à me plier et à vous supplier d'être abonné pour que nous puissions continuer cette résistance-là dont on parle. SNF, euh, alors vous cherchez SNF, vous mettez par exemple sur YouTube, vous faites recherche, SNF Pass TV, vous cliquez SNF Pass TV, vous vous cliquez sur SNF 1, SNF 1 et vous vous abonnez les jours je vais pas me dire de def pour que mon dugg ci Facebook bi avec 71 000 followers Nous avons des abonnés en plus quoi vraiment je vous le demande. vraiment maa ngi le di gërëm d'être abonné ak ñi abonné à l'instant vraiment le lien le lien comment je dois faire pour écrire le lien qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce faire donc je vais voir je vais voir les émissions ni comme un seigneur je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord quand bien même que voilà on essaie de c'est vrai aussi il faut commencer les émissions ni, comme il y en a il y a deux productions qu'on a eu à faire euh, histoire de test pour voir mais effectivement on va on va faire vidéo bi par exemple vous nous parlez automatiquement on va verser ça sur YouTube euh, on aurait pu le faire là-bas, mais bon, c'est le temps de. Parce que fille, on a 71 000 followers. Yo, nous communiquer avec nous pour que nous abonner de l'autre côté. Mais effectivement, on va déjà demain samedi, Inch'Allah, si tout se passe bien, on fera une, émission sur l'actualité en général. Et probablement avec un ou une invitée, Inch'Allah. On a une émission qui s'appelle euh, L'IFINEC, Bi Myriam Sow présente la dernière fois et elle est un peu prise, mon mais on va, on va essayer d'être beaucoup plus régulier. Ce n'est pas facile, hein, contrairement à ce que les gens pensent. on va essayer de le faire, Inch'Allah. C'est que le <laughs> <laughs> eh, yeah you like bread <laughs> it. see you.